Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ala La troisième question vient du frère Abdul, Abdurrahim Pafadnam. Alors il dit, notre papa exige à ce qu'on fasse le doigt collectif après les prières. On s'est concerté là-dessus et trouvé un terrain d'entendre. Mais quelque temps après, il insiste, encore faisant savoir que nous les traitons d'égarés et ne les faisons pas, euh, ne les faisons pas avec lui et que ça leur dérange. Maintenant, malgré les arguments qu'on on avance, soit disant que c'est une pratique non fondée, et il insiste. Que devons-nous faire C'est ça la question. Alors, euh, faire le zikr, le doigt collectif ou bien le zikr collectif. Voilà. C'est vrai, le frère a dit que c'est infondé. Mais il faut qu'on fasse la part des choses entre zikr, qui est la quête du savoir, la quête du savoir, l'apprentissage du savoir quand on veut apprendre la religion et qu'il y a un imam qui nous oblige à répéter des textes ensemble, ça c'est un zikr collectif qui est permis. Par un groupe de personnes qui veut apprendre la religion et que l'imam rentre et dit Alhamdou, vous levez tous la voix, et avec Alhamdou, ce zikr collectif est permis. Voilà, le zikr collectif n'est pas permis, c'est lorsque les textes n'ont pas dit de d'observer les écrits collectivement. Les textes se sont limités seulement à un certain niveau. Et les gens ont ajouté maintenant une autre forme qui consiste à se réunir pour faire un zikr qui n'a pas été dit par le prophète sallallahu alayhi Là, ça devient infondé. Voilà, comme observer un jeûne collectif dans toute la nation au profit de la paix dans le pays. Vous savez que le jeune, le jeûne est surrogatoire. Le jeûne a un mérite. Mais observer, choisir un jour comme ça, alors observer ça ensemble, ça, ça n'a pas été dit par le professeur sallallahu alayhi wa Voilà. Maintenant, euh, le cas de, ce frère-là avec son père, on ne dit pas d'être violent, euh, même euh, verbalement. On ne dit pas d'insister beaucoup. Si vous voyez que malgré les, les, les arguments, il insiste toujours sur sa position, taisez-vous en ce moment-là. Vous allez vous taire parce que discuter beaucoup ne sert pas. Et certains peut vous pousser même à, dire des choses malsaines contre votre papa. Voilà, il est mieux en ce moment de se taire. Quand il parle seulement, vous vous taisez. Vous dites seulement, papa, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Quand il, est furieux, pardonne-nous. Quelqu'un peut se lever, lui apporter de l'eau glacée à boire. Non. Quand vous venez de, l'extérieur, apportez-lui euh, la chose qu'il aime le plus euh, en termes de nourriture. Et ainsi de suite, ne parle pas. Parce que vous avez déjà avancé des arguments qui n'ont pas été convaincants. <clears throat> Donc maintenant, ce que vous avez, c'est de vous taire. Tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, alors tout en le suppliant toujours d'être compréhensif envers vous. Je pense avec ça, vous allez réussir un jour. Vous pouvez aussi envoyer un imam. Envoyer un imam pour venir euh, causer avec le papa. Et peut-être quand les arguments viennent de l'extérieur, euh, peuvent être euh, plus dissuasifs, plus convaincants que des arguments qui viennent des enfants, des enfants que le papa a vu naître, que le papa a, euh, accompagné. c'est-à-dire l'éducation tout, tout, tout. Donc dans ce cas, quand ça vient d'une personne sage, d'une personne ressource, ça peut vraiment vous aider à convaincre votre papa. Donc Allah nous assiste. الله الله ورسول الله الله الله